Vai tirar do Mouhamadou Sira Diouwéné habitant cité Ngoye Lémé waaw dañoo gis ne tàmbali na nawet bi si yenn gox yi ah, ba ñu def sax ay curage si yenn béréb yi waaye yéen fii gis nañ ne Ngoye Lémé yéen a ngi bàyyi seen waar pour mun a waajal nawet bi lan moo tax loolu voilà comme ni ñu koy faral di defee chaque année ah donc ñun dañu nekk ci zone boo xamante ne saa yu nawet ñëwee dañu am ay jafe-jafe parce que point bas la donc ndox bi jógee Soprim Padoua ak une partie des Parcelles Assainies fii lay versé donc ñun loolu moo tax ñu si kenn ñu profito euh, bi ñu xamee ni hivernage bi léegi mu jege si ñu commencé def suñu ay activités de nettoyage de désensablement et curage des des. des des regards pour que au moins bu nawet bi ñëwee jafe-jafe yi ñu doon am mu mën a wàññeeku. Hmm, gis nañ ne ONAS génnee ay moyens est que yéen gis ngeen seen bopp. bon pour le moment gisaguñu benn moyen bi nga xamante ne ONAS ñëw pour jàpp si. donc sollicité nañ nañ leen ak euh, woo nañ aussi mairie bi yëgal nañ ni carrément que dañuy def opération bu ni mel bu ñu tabaskee ba pare donc autorité mais gis nañ amul benn réaction de leur part maintenant ñun nag comme ni ñu ko tàmm di defee chaque année. mun nañ duñu si xaar kenn donc ñoo koñ bi ay ñoo koy lijjantil seen bopp xaaruñu maire yi xaaruñu place xaaruñu état lépp ñu war a def dinañ ko def bu ñu si fekk see baax na bu ñu fekk si aussi ñu avancé continuer liggéey bi tàmm di am taa parce que ndox yëpp fii lay taa ci koñ bi lan ngay autorité si situation bi ci wàllu mbirum assainissement bi. je pense que autorité yi ñoom ñëpp xam nañ ni koñ bi day taa à savoir le préfet le maire même waa ONAS ñoom parce que chaque année. saa yu taawee dañ leen di woo donc ñoom xam nañu carrément koñ bi koñ boo xamante ne chaque nawet day jël ndox. soxla nañ canalisation daal. am nañu ay canalisation mais dañu bëgg ñu gën a améliorer canalisation bi ak BRT bi gis nañu pante bi dafay gën a ñëw donc ndox bi dafay gën a bëri encore une fois ñu ngi leen di solliciter waat di leen xaar yàgg nañ leen woo aussi defuñu benn réaction bi yoon aussi yaakaar nañu peut-être que. Euh, vu que BRT bi pare na ONAS dina si ñëw jàpp mairie bi jàpp si ak aussi état du Sénégal pour que au moins euh, nous bi bu ñëwee ñu vous présentez d'abord. Je m'appelle Baba Amadou Sissé, habitant de la commune de Patois, plus précisément à la cité Impôt et Je suis également conseiller municipal, euh, habitant de la, de la cité et, et voilà, comme, comme chaque année, on se retrouve ici pour euh, vider les canalisations. Euh, on habite dans un, dans, un, quartier qui est un peu situé en, à nos bas, raison pour laquelle à chaque hivernage, on a des problèmes d'inondation. Ah, maintenant, vous avez pris votre dessin en main euh, pour curer quand même les, les canaux d'évacuation des eaux pluviales parce que l'ONAS n'est pas encore venu dans cette zone. Oui, effectivement. L'ONAS n'est pas encore venu ici, malgré qu'on a entendu qu'il y a des, des, moyens qui sont déployés, mais pour le moment, nous, nous ne comptons que sur nos propres moyens. Euh, on collabore souvent avec la mairie, la sous-préfecture, en tout cas les autorités locales euh, sont au courant de notre situation. Bon, pour le moment, il n'y a aucun, aucune avancée euh, dans nos démarches. Donc vous demandez de l'aide à l'ONAS hein? Voilà, nous demandons de l'aide à l'ONAS, mais aussi aux autorités. Cette le maire a, durant les années passées, essayé de faire euh, quelques, quelques démarches, de nous, de nous aider, mais ça ne suffit pas. ce qu'on peut dire, c'est que la situation n'a jamais changé. avec le, le, BRT. Donc, on a constaté. Vous craignez le pire avec le BRT. Voilà, voilà. On, a même constaté que les, les, durant les deux hivernages passés, que l'inondation est, encore devenue plus, plus intense, plus difficile à gérer. Donc, nous appelons vraiment les autorités, le maire, le sous-préfet, vraiment même le président de la République à, à, s'approprier euh, euh, euh, cette, cette ce, problème du, du, ici à la c'est de plus précisément et nous aider vraiment à y remédier. On a des projets pour faire face à ça, mais on n'a pas les moyens. Donc euh, c'est ça notre appel. nous comptons vraiment sur l'appui du et, du ministre, le ministre ministre de, la Famille et la Solidarité, mais également du, du sous-préfet. Merci. Gracias. Vá, vá, me lá. Vamos embora. lá Alhamdulillah. Eh, eh. Come on. Eh. Yo. Yo. La multi président conseil de